Sénégal yow Mali Mali c'est une bête ci basket actuellement euh, Mali et Nigeria, presque peut-être beaucoup de favoris favori Mali si je du juumulee donc Sénégal euh, bu bokkee Mali euh, Nous avons a jouer deux matchs ci poule pour me qualifier au deuxième tour yow ak Mali nous nous bindoo nous ñun ñu am frontière mu euh, comment comme derby euh, est-ce que jàpp na ni Sénégal mën na mën Mali. Euh, man jàpp naa ni basket africain bi Sénégal amul équipe bu mu d'or mhm. parce que tamit sur le plan des joueuses yaakaar naa ni ñu ñu sélectionné c'est pas de petit euh, c'est pas de petite c'est pas c'est de n'importe qui les sélectionne. d'accord nga ak Moustapha Gaye ci sélection ah non mais d'accord naa ci. Mhm. dans la mesure où ce fait que dañuy dem pour gagner afro basket bi. Mais Warni, ce que moi, je n'ai pas compris, c'est qu'on nous ait vendu un projet de reconstruction sur deux afro-baskets pour après, nous quartier une logique. C'est ça que je n'ai pas compris. Mais par rapport à la sélection, on y va pour gagner. Si le sélectionneur il va pour gagner la compétition, mais pourquoi pas Il y a trophée de deuil. Si on y va pour gagner, trophée de deuil. Mais il y a un pour gagner, <laughs> on depuis c'est-à-dire chaque année ñu ñëw une sélection pour xam ne dañuy xalaat ni dañuy dem pour gagner compétition et non pas nous, ñuy wax ni dañuy reconstruire. alors d'accord, la parce que sànq yaa ko doon wax euh, parce que projet lañ jaayoon Sénégal mooy reconstruction du basket euh, sénégalais maintenant sélection bu ñu gis que Moustapha Gaye def na il y a, il y a des joueurs, euh, euh, elles sont quand même âgées. Tu prends le, cas de Yacine Diop, de, de la nouvelle, la, star qui vient d'intégrer le basket sénégalais, Chiara euh, Diar. Mhm. Donc, bon, elle a 27 ans aujourd'hui. Euh, nous, nous, nous, euh, Il y' a y' a euh, des des femmes âgées quoique des autres diront que peut-être pour l'expérience, mixer l'expérience et la jeunesse D'accord, c'est bien beau mais on euh, équipe ils ont des jeunes basketteuses. Mhm. est ce que ça ne pose pas problème. non je ne pense pas que ça puisse poser un problème. Mhm. parce que bon afro basket bi ñu gagné au Cameroun c'était le même discours. On disait qu'on était, on avait une équipe vieille, des mémés, nous le lenniens, compétition. finalement, on a, on on a commencé euh, assez durement la compétition avec, je pense, si je ne me trompe pas, deux défaites pour finalement euh, aller remporter la compétition. Mais je pense que c'est des dames, elles sont aguerries, elles sont expérimentées, elles ont, euh, elles sont talentueuses et également elles ont de l'ambition donc je pense pas que Mouar donne problème mais si on également ci sélection bi ni ci âgé c'est 3 ou 4 ans hein. le reste c'est des joueuses qui elles sont à fleur à la fleur de l'âge c'est c'est moins de 30 ans pour la plupart pour la plupart donc on a peut-être Nyom Fatou Djan, ñoom ñooy plus de 30, 50 ans 6 ans Nyom Aya et consorts mais pour le reste c'est des choses de pratiquement moins de 30 ans donc y a on a essayé d'allier euh, la jeunesse à l'expérience est compétition bi ñu dem donc a naa euh, dara dara dara Waro mën l'ambition entraver ñu ambition pour gagner gagner compétition Si si on ni gagne mhm. ça devrait être un échec euh, aussi le cas de Yassine Diop. Parce que Yassine Diop, euh, Pavis, euh, crée euh, aussi polémique hein, sa sélection. Parce que euh, nous, les Japonais, la joueuse est, est restée euh, une saison sans compétir. Euh, voilà mu à la grande surprise générale Mustapha Gueye jël ko dugal ko ci groupe bi euh, le motif qu'il a donné il a dit que peut-être c'est l'expérience voilà c'est aussi l'ossature de l'équipe quoi qu'on dise aussi Yacine Diop dafa bokk ci équipe bi expériment expér euh, comment euh, expérience aussi la soxla ci équipe bi mais voilà bokk wala bokk nga ci sénégalais wala yow tamit da nga approuver mom lu mu wax waaw xam nga quoi qu'on dise man qui dit Moustapha Gueye lu qui basket je dis pas que c'est le Coran mais lu qui wax basket wax dëgg et je donne koy confiance parce que vous que que mon expérience afro basket am expérience am deux cannes parce que tamit gagner deux cannes c'est pas donné à tout le monde hein. parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, voilà y a ni qui dit Cheikh Sarr def na lu ne ci basket sénégalais def na lu ne ci basket africain et mondial reconnu partout dans le monde mais euh, il a eu sa chance avec les garçons il a eu sa chance avec les filles gagné afro basket hein. donc euh, Moustapha Gueye même vous voyez Cheikh Sarr sur le plan des diplômes et tout mu sut Moustapha Gueye c'est un fait mais Moustapha Gueye a gagné deux cannes, Cheikh Sarr n'en a pas gagné donc il y ni euh, loolu noonu da koy may Moustapha Gueye moy que lu mu wax ci basket yaakaar ni même boudoul téere mais dang koy gëm donc man su waxé ni yassine Diop mi soxla nako même bu euh, il a besoin d'elle trois minutes par carton yaakaar naa ni mom Moustapha Gueye mi am expérience xamna na lu mu si jublu mais ma yokal la ci dara c'est pas seulement Yacine Diop Mathilde mhm. Aïcha l'année passée elle n'a pas compéti elle était ici au Sénégal, elle était à la Jeanne d'Arc. Elle ne jouait que la Coupe de la Ligue. Je pense qu'au total, c'était 4 ou 5 matchs qu'elle a joué avec la Jeanne d'Arc sur toute une saison. Moi, j'étais au stade Maris. Comme je me le je suis au stade Maris tous les week-ends. Au moins 2 à 3 fois par semaine. Tous les jours, elle était là-bas. Bougia du Jeanne d'Arc du jouer en fille. C'est les championnats, la Coupe du Sénégal, ou le, du jouer. Mais si c'est Coupe de la Ligue, elle jouait. Ça, j'avais pas trop compris pourquoi mais je peux te dire que l'année passée euh, pratiquement c'était une saison blanche pour elle année bi là la ko jouer avec la Jeanne d'Arc donc juste pour dire que ce n'est pas seulement Yacine qui est dans ce cas-là mais en tout état de cause c'est le coach Moussa Gueye qui fait la liste donc dañ koy wóolu le voilà jox ko suñu xel jox ko lépp ba pare di xaar résultat di yaakaar coupe une troisième fois donc Inch'Allah, dinañu euh, une coupe une troisième fois donc euh, Moustapha Gueye comme sénégalais ça nañ Et aussi euh, dinañu une compétition de du début à la fin Et aussi du continuer de supporter suñu équipe nationale féminine du basketball ci Afrique Afro League Bobo. donc Afrique Afro basket d'accord. d'accord. excusez-moi donc voilà sénégalais yi dinañu suivre pour une transition de la point. Euh, hein, euh, bon sens au aux, Lions de basketball, et notamment avec le coach Mustafa Gueye. Euh, les Sénégalais sont à tout cœur avec vous, donc la balle est dans votre camp. Donc, euh, Papis, dinañ ci le tirage. Dinan jógee ci basket dem ci football même si da nga évoqué ni que le basket est gën suivre que football mais aussi tu restes un acteur du football. on sait on connaît Papis voilà Sénégal def nañu temps yagoul le tirage au sort du mondial 2026. Mohamed vingt États-Unis lañ ko Canada et Mexique Sénégal beaucoup le groupe B euh, digganteem ak RD Congo Togo et les deux Soudans c'est-à-dire Soudan du Nord et Soudan du Sud nous euh, Japonique que peut-être Sénégal euh, il domine largement les débats sur groupe B. mais attention on a un derby. Digante, suñu Digante, ak euh, Togo aussi RD yo lo jàngatee groupe bobu waaw euh, Arfan euh, bon comme nous l'avons dit, on va passer du basket au football mm-hmm. c'est vrai que comme nous, ma la sur le plan local je suis beaucoup plus quand je te dis que je suis beaucoup plus le basket que le foot c'est sur le plan local en fait mm-hmm. c'est-à-dire Sénégal football Sénégal ak basket Sénégal basket Sénégal je ne suis que football Sénégal parce que le stade est à, voilà, à quelques mètres de chez moi. Mais sur le plan mondial, je pense que basket, euh, football, il n'y a pas photo. Je suis beaucoup plus le foot euh, que le basket. Maintenant, pour en revenir à l'équipe nationale du Sénégal, notre chère euh, équipe nationale du Sénégal, mm pour le tirage au sort, c'est pas. équipe bu équipe taxaw Sénégal je pense que on devrait survoler cette poule assez, assez facilement parce que bon, les poules, c'est une poule de 6 équipes et le premier est qualifié directement à la Coupe du Monde. Maintenant, bon, les poules, on a le Sénégal. Après le Sénégal, il y a quoi y la, RDC, mhm. il y a la Mauritanie, il y a le Togo, il y a le Soudan et le Soudan du Sud. Le Sénégal est classé 18e sur le plan mondial. Mhm. La RDC est classée 70e. Mhm. La Mauritanie, quant à elle, elle est classée 99e. Le Togo est classé 122e. Mhm. Le Soudan est classé 128e. Mhm. Et le Soudan du Sud, 168e. Euh, le, premier, le meilleur classé de cette poule après le Sénégal, c'est la RDC, 70e. Moi, je pense que dans cette poule-là, le Sénégal devrait, sans trop, trop, trop de difficultés, survoler la poule. Maintenant, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir la, tué. Ça, on en est conscient. Mm-hmm. Euh, tamit plus en détail les du Sénégal on se rend compte qu'il y a des cadres qui sont en train de sortir euh, du football Lolo, Lolo, Lolo, Lolo, Lolo, duñ duñ ko duñ ko duñ quoi mais yaakaar 2023 déjà pour cette canne, on aura l'objectif d'aller gagner la canne en Côte d'Ivoire mais pour ce tirage au sort pour la Coupe du Monde le Sénégal euh, regorge de suffisamment de jeunes talents yoo xam relever le défi et le coach Aliou Cissé l'a si bien compris qu'il a déjà commencé à remixer son effectif avec de jeunes joueurs qui ont l'air mom moom ni dans un an ou deux ñoo ñooy ñew équipe le flambeau de l'équipe donc je pense que sur le plan des talents Sénégal yalla daf ñu may lo xamné actuellement ni y ci beaucoup de pays africain bu ñu ni Côte d'Ivoire tolloon mhm. Nigeria ci Ghana et que vous que vous tolloon mm-hmm. mais actuellement ni <laughs> jamono Sénégal Sénégal mon mon quoi. ok d'accord, mais aussi la Mauritanie hein, il faut pas oublier qu'on est des pays limitrophes euh, chaque fois la Mauritanie bougeait avec Sénégal c'est comme si la Benagambi Gambie bougeait avec Sénégal wala Guinée bougeait avec Sénégal ils mettent tous les moyens c'est à dire que nous avons dem ba ils ont un slogan Sénégal vous gagnez donc on a un groupe avec euh, des pays limitrophes comme la Mauritanie et aussi euh, Togo hein. Togo musnagn ko euh, euh, les incidents yu le stade Léopold Senghor Togo mo ñu ñewon éliminer fi en 2006 voilà est-ce qu'on peut on peut s'attendre à ça. Oui, mais xam nga la Mauritanie. Mm-hmm. c'est une équipe qui est en train de progresser. Mm-hmm. sur le plan du football. Mm-hmm. Hein. mais ça ne veut pas dire qu'ils sont encore à la hauteur du Sénégal parce que Taï, bo jëlee Mauritanie bu fekkee 170e mm, e wala 200e la nékkone mu yéeg ba ñëw 90 ci top 100 mondial yaakaar ni def na ay djégo mais nak def ay ne veut pas dire que dab nga ki nga xamné ne ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire c'est comme c'est comme c'est comme en athlétisme rek euh, voilà il est dans les records des il est dans les 10 secondes, 10 secondes en 100 mètres. Il y a encore 14 secondes en 100 mètres. Même si tu progresses, il 12 secondes en 100 mètres que les Mougi à 10 secondes. Ah, mhm. Et c'est la même chose dans cette poule là ces équipes-là, même si elles progressent, même si euh, elles ont un nouveau visage sur le football africain, dans le football africain ou le mondial, eh, mais il y a Sénégal. Mais attends, Papis, euh, d'accord, il y a gens avec Sénégal, c'est vrai, mais il, faut aussi, euh, il, ne faut pas aussi esquiller le fait que les joueurs sénégalais sont, sont, sont vieillissants, pour ne pas dire si le mot est trop. Euh, c'est-à-dire qu'ils tirent vers la trentaine. Nous en Europe, nous Arabie Saoudite. Non, on n'a rien contre le championnat saoudien, mais par rapport à la compétitivité des joueurs, parce que ñu bëri dañoo jàpp ni sànq démb maa ngi doon euh, seetaan mm, euh, vidéo benn vidéo di chronique de l'atra de l'Atlas mais dafa doon dafa intéressé wu carrément ci les joueurs sénégalais yoo xam te ne dañoo nekk di migré immigré di de l'Europe en Arabie Saoudite Euh, notamment le cas de Khalidou Koulibaly, de Sadio Mane, de Mendy. non, Sadio, c'est pas encore acté. Euh, non, mais, c'est pas acté, mais il est, il, est, il est dans la direction. Parce que euh, aussi, Pavis, Gisnagno.